Merci, Président. Euh, honorable, honorable Omar Sissé, Monsieur le maire, merci. Parce que, vous m'avez marché sur la langue. Mais mes chers collègues, c'est normal un rapporteur L'histoire est là pour nous permettre de mieux comprendre le présent. En mars 2021, quand le président Ousmane Sonko est sorti de cette euh, cabale, demain point de presse vous mu que à ce que le président Khalifa Sall soit candidat en 2019 en 2024 il avait dit en mars 2021 les archives sont là il avait dit Karim Maïsan Wade doit être candidat en 2024 quand on mettait en place cette intercoalition l'histoire est là il faut la rappeler c'était quoi l'objectif majorité à l'Assemblée nationale et faire du président Khalifa Sall et du président Karim Wade des candidats. L'histoire est là, on ne peut pas l'effacer comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps En 2012, qui a mis Karim Ouad en prison 2012. C'était le, le ministre de la Justice de Macky Sall. En 2012, je dis bien, en 2013, j'ai beaucoup d'estime pour le président Abdoulaye Wade c'est une un ancien président de la République kan gaz gazé à la place de l'Obélisque c'est qui qui l'a fait entre temps je ne voterai pas ça pourquoi parce qu'il y a un décalage c'est aussi simple que ça parce qu'on ne peut pas nous dire hein, qu'on veut mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour parler des faits de corruption Pour donner des faits de corruption qu'est-ce c'est que je vais voter parce que nous sommes pour la transparence Nous on ne peut pas accuser un candidat ministre du Sénégal de corruption si c'était seulement ça l'objectif dama koy voter mais n'est pas ça l'objectif Karim Wade c'est notre frère nous l'avons nous et nous exactement ce que nous nous pensons de tout cela maintenant il est constitué une commission d'enquête parlementaire portant sur le processus électoral non Vous ngeen changer. il est institué sur des accusations de corruption de collusion entre le candidat Amadou Ba qui n'est candidat que de non, c'est un candidat factice c'est un candidat pacotille, tout le monde le connaît, c'est pourquoi vous voulez vous débarrasser de lui. Nous yam, une corruption, le président Lamine, vous le faites, vous, changez, je vote. Mais on ne peut pas revenir sur le processus électoral, c'est impossible et c'est trop tard. Benendi, la présidente commission, a ah, pour mission d'infallo le processus électoral. Non, on ne parle pas du processus électoral, on parle de faits de corruption nous sommes tous d'accord mais beneen affaire moins. mais cette commission là vous commencez, soube, soube. le juge oublie une information judiciaire qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire D'arrêter. mais loolu la nag beneen affaire moins. mais commission bi day jël temps pour l'élection mais d'ici là mais certainement Amadou pourrait gagner l'élection donc vous n'avez pas besoin vous gagner 17 à di candidats. parce que la commission ça va prendre du temps L'élection, élection c'est dans 25 jours il n'y aura pas de report d'élection au Sénégal on va aller aux élections maintenant je vous fais un pari man Amadou Ba su gagnez élection il ma transmis ñëw à père. leen La parole est à notre collègue Aliou Demba Aliou Demba suivi de Sherif Ahmed Diko. aoudu billahi min asheytan irrajim bismillahi rahmani rahim monsieur le président ñu ngi lay nuyu di la ziyaare bu baax di nuyu monsieur le ministre di nuyu suñu cher collègue député yépp suma collègue bi fi wàcc nag moom dina transhumé incha allah parce que Amadou moom day gagné li ci des ñun procès bi lu tax ñu war ko voté dañ fi yàgg indi ay mbir nañ ko leeral gisuma lu war a tax ngeen bañ ko voté yéen ñi comme leerlu la rek kenn waxul tëj kenn waxul jàpp kenn waxul leneen dañ ko indi pour que ñu leeral askan wi li nga xam ne population bi peuple sénégalais yi ñi ngi koy xaar ci sept juges yi nga xam ne ñoo war a àtte gannaaw bi ñu demee ci mbañ gàcc yi ñooñu buñ leen tuumaalee dara dañ ko war a leeral sénégalais yi ndax am na walla amul loolu dana tax ma voté loi bi procès euh, euh, de loi bi li ci des seetal suñu candidat bi nga xam ne xam nañ ne da ngeen ko tiit ñemewu leen ko danañ ko voté pour moom seetal deram aussi balaa ñuy dugg ci leen mais ki nga xam ne nag mooy ndey mbill gi mooy le président de la république Macky Sall borom pont yi ak autoroute yi borom forage pastoraux yi ak piste production yi borom bourse familiale yi borom couverture maladie universelle kiy dimbale néew ji doole yi ci affaire koo xam ne rakkam la muy Karim Meïssa loolu dañ ko war a leelal Sénégalais yi ne moom bokku ci koo xam ne nee man bokkatuma te yoon may ko mu waroon bokk buñ ko ci buggee tuumal ñu war ko mën a leeral buy dem mu dem ak grand mbubb bu weex tàll nga xam ne benn gàkk gàcc gàkk gàkk du ci am yéenay wax bëre bëgg a bëre bañ bëre xam nañ ñi nga xam ne muñal président Macky yàlla musal na ko musul dégg muñal kon bu ñuy tiit bëre moom mi tànn mbërëm xam na ne mbërëm bu mu tànn aussi du dégg muñal mais dañu laaj sénégalais yi koo xam ne moo war indi ay jiiki jaaka ak leneen li ci des monsieur le président assemblée nationale sénégalais yi ak nit ñi nañu nañu àtte ñi nga xam ne ñooy wax fi ndax suba tey ñu wax li suba ñu wax loo xam ne dafa safaanoo ak li nga xam ne moo leen taxoon jóg dama jàpp seen comme yéen amatu leen mbër suma xarit kunkaane mu ngi ci biir donc fexe leen ñu ngeen indi ko amatu leen candidat yéen ñi président leeral askan wi ne nii la demee ku ci tàkke ñi ne la yow la tëjuñu tijjiwuñu defuñu dara allahumma salli ala sayyidina merci la parole est à notre collègue Sherif Ahmed Diko. Sherif Ahmed Diko.